Je m'appelle Ibrahim Ahmad je suis chauffeur de Fava Fava il y a presque trois ans. Je trouve ce métier très difficile. Nos véhicules sont vieux, les routes sont aussi impraticables et demandent de grandes réparations. Le prix du transport est de 125 francs par personne et nous lançons un appel à l'endroit des autorités de réduire le prix de certains papiers afin que les propriétaires des véhicules, eux aussi, nous réduisent le prix de la location.